Thank you. journée au euh, en rapport avec les séjours d'activisme yi nga xamantene mettre en place pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles donc ñu fait tay ci lycée de Thiaroye tay pour ñun suñu journée ñu maximiser sur la santé mentale des filles à l'école particulièrement pour lutter contre le harcèlement scolaire alors activité yi moy dañuy def ben séance d'écriture sur le harcèlement scolaire avec des filles, des garçons. Également expliquer aux enfants, aux élèves euh, l'importance de la santé mentale. Ba avons ñu def séance de talk avec psychologue psychologues, juriste juristes, euh, ay euh, professionnels Yo xamantene expliqué ce qu'ils dañuy ñëw expliquer xalé yi tey victime harcèlement scolaire yan ñoy moyen de recours yu ñu mëna a am lan lañu mëna def pour lool On a pour partenaire pour cet événement Warha TV, Cœur Ubuntu, les l'association des élèves étudiants de Yoff. Également, on veut des partenariats parce que nous voulons bëgg cette élargir activité on a commencé à euh, lycée Tcharoy nous élargir ci école pour lutter contre le harcèlement scolaire pour lutter contre la violence faite aux filles à l'école parce que nous prenons l'éducation sans peur pour tout le monde. Absolument, sur euh, l'année 2024, on envisage de faire les écoles et les universités. Donc ça s'appelle le programme d'aujourd'hui s'appelle Talk à l'école parler à l'école donc dañuy def une séance de talk yoo les enfants yi dañuy intervenir il euh, problèmes wax li ñuy dund ci école bi mettre en place des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes là donc dans toutes les écoles dans toutes les universités c'est ça l'objectif nous euh, contacté Madame Sarr, la responsable euh, du CLAP du, lycée. Elle nous a facilité vraiment euh, le travail. Donc, moi, nous mettre en rapport avec élèves, organiser l'ep On est venu et on a fait la séance vraiment. elle nous a facilité le travail. Et on se rend compte que malheureusement, information est parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est santé mentale n'est que tabou au Sénégal. Ken doit voir dans les maisons parce que pour nous, l'autre des psychologies santé mentale, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on envisage de sensibiliser sur ça et on va commencer par les écoles et on a vu que les élèves sont vraiment partants pour. loo xamante la xale yi dañ koy dund euh, seen mor diggante seen morom yi dañ koy dund tam diggante seen ñi leen féete kaw manam muy jàngalekat yi muy muy euh, surveillant yi en général. Euh, fépp d'al si même seen cœur si mbedd mi lo xamante la nit daf koy dund ba même bo nekkee mag donc fay nek ay li nga xamante dañ lay euh mën dem ba si sa yaram ñu lay topp sa yaram di la tooñ ci sa sa ni nga feeñee si sa melokaan di la tooñ si li ngay def ba nga xamante ne yow dootoo dootoo wóolooti sa bopp dootoo sañati toog jàkkaarloo nit yi parce que yow da ngay da ngay sentir ne loo def rek dañuy dal sa kaw

Thank you.